Ouverture lundi passé en Allemagne de la 23e conférence des partis sur le changement climatique. Les pays signataires s'étaient quittés l'année dernière à Marrakech en affichant une réelle volonté de tenir leurs engagements souscrits. La question des changements climatiques a également fait l'objet d'un rapport très alarmant publié mercredi dernier par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce rapport souligne qu'il existe un écart catastrophique entre les engagements pris par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et les efforts nécessaires pour respecter l'accord de Paris adopté lors de la COP 21 en décembre 2015. Cela peut être annonciateur de grands dérèglements tels que les canicules, les inondations et les super ouragans, indique ce rapport qui invite à des actions plus concrètes sur le terrain. La ville d'Agadez a accueilli du mardi 7 au vendredi 10 novembre dernier le 12e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens. Ce congrès a permis aux participants d'élire Algabit Ider comme nouveau secrétaire général de cette structure avec 54 voix contre 25 pour son challenger Mohamedou Soumaila Di Malam. Algabit Ider succède ainsi à Hussein Sambo, lui et les autres membres du nouveau bureau élu à la tête de ce comité directeur de l'USN, auront à gérer plusieurs questions liées aux problèmes des scolaires nigériens pendant leur exercice syndical 2018-2020. Le ministre de la Défense nationale, Kala et l'ambassadeur de France au Niger, Marcel Escure, ont effectué mercredi une visite à l'état-major du poste de commandement du secteur Est de la force conjointe du G5 Sahel, logé dans le camp Bagaji de Niamey. Au cours de cette visite, le commandant du fuseau centre, le colonel-major Mohamed Munkeila a fait le point de la première opération dite Haoubi ou Vache Noire, lancée pour la période du 27 octobre au 11 novembre 2017. Cette première opération militaire est menée sur les territoires transfrontaliers de trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Réception jeudi passé de la digue de protection des habitations et aménagements hydro-agricoles de Goudel. Selon dans le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, cette digue d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA permettra de contribuer efficacement à la lutte contre les inondations qui deviennent récurrentes dans la région de Niamey. Du sport pour finir, le jeudi 9 novembre dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a retiré la délégation de pouvoir à la lutte pour non-respect de son cahier de charge. Une décision qui a été suivie par la mise en place d'un comité chargé de la continuité des activités du sport roi au Niger en lieu et place de la lutte pour une durée de trois ans.